da da muka fara satin Mais cette fois-ci, nous allons parler de l'univers culturel. Vous l'avez bien entendu, la fada aujourd'hui, on est carrément sur les dunes. Ah non, COG, Centre Omar Ganda, à Magalitan. L'un de nos invités nous a complètement transporté sur les dunes Cette fois-ci, nous allons parler de l'univers culturel dans lequel évoluent de nombreux jeunes. Wasu Chicken Aikin de na ce selon la direction nationale de l'artisanat environ 900 000 personnes vivent à temps plein ou de manière saisonnière des activités artisanales qui représentent plus de 200 métiers a Nijar al'adunmu da amfanin da ake da su arziki ne matasa masu neman abinci su kin ma ba kaɗan ba ne a fadar mu ta yau muna so mu san wa'annan matasan ya ne wannan aikin nasu yake mais aussi comment ils évoluent dans cet univers ils s'en sortent euh, bien, ça va plutôt bien. Euh, n'est pas soutien, soutien. de zamu chio bien calé au centre culturel Omar Uganda G de Niamey. On en parle avec Chebou Boubacar de l'entreprise Le Concret Artisan. Nous sommes avec euh, l'humoriste Ali Moussa Amadou, l'homme polyhybride. Ça va Ça va bien. C'est toi qui es là, là. Il y a, beaucoup de choses en moi, il y a beaucoup Il y la lienne en toi, il y a tout. Ouais, ouais, augmente, augmente. Galitan. Lui, c'est un auteur, compositeur, artiste, musicien. Et depuis ce matin-là, il est le musicien attitré de la FADA. Oh, J'espère qu'on pourra la voir partout. On va. Ça va, Galitan Oui, ça va, ça va. Tout es nous à la FADA. Tu es là, Nous sommes avec deux flics à Niamey, Abaka. Sayo, humoriste et Iboulele. Ça va, vous allez bien Oui, ça va bien. Les deux duos là Vous allez bien, j'espère. On n'a rien fait, vous n'êtes pas là pour nous choper là. <laughs> non, non bon, ça Aujourd'hui, euh, <laughs> c'est férié, aujourd'hui on n'est pas de service. <laughs> voilà, ok, ils sont pas de service, c'est férié. Soyez les bienvenus sur tout ça, la Fada, bien sûr. Il n'y a pas de Fada sans musique, vous l'avez compris tout à l'heure. C'est hyper important dans l'univers de la Fada, la musique. Comment mon atelier de rubrique l'artiste s'exprime, mais également notre chronique qui sera présenté par Oli Choco. Ça va, mon coco Oui, Rabi, je vais très bien. Et toi, comment tu vas Ça va. On a encore au menu ce matin Grosse question. Comment s'assurer de la fiabilité d'une source quand on parle d'une information Ok, là, on va en journalisme, là. Ah, de ouf. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout le monde est devenu journaliste. Ah, oui, c'est vrai, hein Ah, clair. Je te dis, on a des collègues partout. Merci, à tout de suite. La déclaration de politique culturelle nationale de février 2008 reconnaît la culture comme un moyen d'affirmation de notre identité, de notre refondation et en puissant levier de développement durable ainsi qu'un facteur incontournable d'intégration et de lutte contre la pauvreté. Bagardama, cikin wannan ayyukan yanzu tambaya ta ta fari directement zan zo gare ka galiyu dit Galitan, auteur-compositeur. L'univers de la culture au Niger, on en parle d'abord. Yane Kenzo, c'est plutôt la culture est plutôt bien positionnée ou ana nan dai ana ja haka nan dai sai hankali. To, haraka dai irin wannan dai sai dai mu ce sai a hankali saboda da wuya a ce ga abu ya miƙe yadda yake duka-duka amma na ga akwai shanjaman abu ya dan canza bisa ni dai yadda na san shida na ga yanzu mutane sun mai da niyya ga son haraka na kiltir ok bisa yadda nake ganin ta mm, kama ba, kaman kama <clears throat> kwanakin baya ba ko ba kama shekarun baya ba kama haka nake nihi eh, saboda ni na gani da artist duka kallon da ake mana kaman kallon kallon maroka mm. kin gane to da da sanda guda na ga kamar ana ake buga amma yanzu an deja voilà ça c'est super ça ah j'ai failli l'oublier hein, pourtant <laughs> pourtant Aujourd'hui, la fada est bien décorée. C'est grâce à ce grand monsieur qui a bien voulu partager avec nous ces quelques œuvres pour enjoliver les photos de la fada. Et il est là avec nous. Ça va, tu vas bien Ton nom, c'est Mokhtar Boubacar. Mokhtar Boubacar, tu es artiste de peintre. je suis artiste euh, plasticien. Uh-huh. Je suis autodidacte. Ok. Vraiment, tu as décoré la fada ce matin. Merci à toi. Je reviens vers toi tout de suite. <clears throat> Euh, tata Bio Yanzu Boubacar de l'entreprise Le Concret Artisan. Ça va Oui, ça va bien. ça, se passe bien. Euh, Plutôt bien. Ça va dans l'ensemble, mais il faut qu'on apporte encore plus d'efforts Mhm. et un peu de changement pour aller de l'artisanat à l'industrialisation. Oui, maintenant, si on devait euh, lister, par exemple, les, branches de la culture, tu artisan, musicien, humoriste, peintre, en association, qu'est-ce qui intéresse vraiment le public nigérien ou même d'ailleurs bon, C'est euh, quoi qu'on consomme le plus ils consomment la musique. La musique, euh, ça joue son rôle important. L'artisanat aussi joue encore son rôle. C'est un ensemble qui apporte vraiment un plus à la culture nigérienne. Parce que quand on regarde, il y a jusqu'à 27% euh, de la population qui consomme le local, le cuir local. Donc, euh, dans, quand je parle de cuir, ce n'est pas seulement les chaussures ni les sacs, il y a les boîtes, il y a les décorations, tout ça, il y a l'ameublement. Donc tout ça, on peut dire que l'artisanat, l'art, la musique, c'est un ensemble qui fait avancer un pays. Nous sommes avec nos jeunes humoristes. Ça, c'est plutôt tendance. Hein? C'est bon que les jeunes s'intéressent à l'humour. Je dirais que c'est pas. C'est récent, si on peut appeler ça comme ça, surtout sur les réseaux sociaux. Euh, peut-être qu'on peut dire que y a engagement ce qui intéresse vraiment les jeunes. Les jeunes, dans quoi ils se lancent L'humour, hein, fait partie. Ah oui, bon, moi je, je pense que là, en tout cas ces derniers temps, c'est le cas. Il y, a, il y, a, de plus en plus de jeunes qui, qui se lancent dans la comédie, surtout ici au Niger. Il suffit de voir sur les réseaux sociaux. <laughs> exactement, exactement. Ça, c'est sympa, ça. On risque pas de s'ennuyer hein, jusqu'à longtemps encore. Est-ce que, est -ce que dans, dans, le secteur de la musique ou encore de l'artisanat, il y a autant de jeunes qui s'engagent Parce qu'en humour, là, c'est top. Hein. Ah, au niveau de l'artisanat, il y a beaucoup parce que récemment, notre centre de formation avait formé plus de 400 jeunes durant deux ans. Et cette année encore, ils ont lancé jusqu'à 260 jeunes de recrutement pour, ce, pour faire uniquement la formation dans le domaine du cuir. Vraiment, il y a assez de jeunes qui se lancent. Avant, ils pensaient que vraiment, il faut, il faut apprendre ça sous l'État. Mais maintenant, les gens ont compris que c'est un domaine vraiment qui, qui, qui permet de maintenir l'équilibre. Eh, on peut dire autant de la musique Galitan. les jeunes s'intéressent aussi à la musique ah, shine neke nake da zu hmm. mutane da warin ba su bambanta ma music ma ba su bambanta shi ba hmm. menene ke kawo haka na rishin mai hankali hmm. yanzu abu kan ka mai da hankalinka ai dole ka san menene yanzu kuna san matasa da suke zuwa suna matasa sosai ma tun da ni da kaina ma Uh, alhamdulillah na san na na koya ma mutane da yawa na da koyawa na gitar an 90 mhm, mhm. har zaman gada kai na san dai na yi formen mutane da suke rayuwa cikin wannan musikin ah mais c'est super ça on applaudit là oui oui alors là la culture hein, la culture ça va ça se rajeunit Mokhtar Boubacar on a tes tableaux juste en face de nous tu t'es lancé dans la peinture comment comment ça s'est fait tu ne fais que ça ou tu fais autre chose aussi bon je viens de me lancer dans l'entrepreneuriat donc maintenant, je vois tout le monde, c'est dans ça qui, se lance. C'est la grosse tendance. Hein. Oui, mais moi, ma spécialité, c'est l'art plastique. Donc euh, à travers mes œuvres, je raconte des histoires, je peins des, épisodes qui révèlent des témoignages du vécu. Mhm. Donc euh, mon but, c'est de présenter des, œuvres. Euh, qui parlent aux gens. qui parlent maintenant, parce que là, l'art, ça n'a pas besoin de, de s'expliquer. Dès qu'on voit les œuvres et sur ce, on va euh, faire un tour du côté de Dondi. comment euh, cette fois-ci, dans sa rubrique, euh, l'artiste s'exprime. artiste Et on se retrouve juste après. Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, surtout Salafada, l'artiste s'exprime. Et... Sachez que le nom Covid-19, c'est moi qui l'ai créé. Et c'est après des recherches et des milliers de recherches, j'ai compris que quoi Une grande légende nous a laissé des œuvres comme suit Commandant Zabra, Ventripotent, Influimento, Daishikan, qui est mort en 2019. Maintenant, analysons tout ça là ensemble. Ça va nous donner quoi Genre, prenons sur chaque nom la première lettre. Commandant Zabra, c'est deux noms, on prend CO. Ventripotent, c'est un nom, on prend le V. Influimento, on prend le I. Daishikan, on prend le D. Moi, en 2019, on prend le 19, ce qui fait Covid-19. Chers amis de l'émission <laughs> Tous à la Fada, vous kiffez cette rubrique un peu partout au Niger à travers nos 45 radios partenaires. Cette nouvelle rubrique donne la possibilité à nos artistes, humoristes, chanteurs, peintres, etc., etc., de s'exprimer. Aujourd'hui, nous recevons sur cette émission un polyhybride. Polyhybride Pourquoi polyhybride eh ben, Polyhybride, c'est parce que il y a beaucoup de plans dedans. D'abord, ouais, parce que <laughs> d'abord je fais de la danse, je chante, de la danse? je suis comédien, je suis chanteur acteur, je suis humoriste, chanteur et tout ça là. Ok. Et après quand tu regardes euh, sur le plan national et international, d'ailleurs je tiens à dire à toutes les femmes et les hommes mariés, si vous voulez que euh, votre enfant a un avenir garanti, donnez-le le, nom de Amadou. Amadou. Parce que si tu regardes sur le plan international, <laughs> on a beaucoup de ah. D'abord, Amadou Ampateba. Amadou Amadou Kourma. Amadou Kourma. Amadou Diawara. Footballeur international de la Guinée-Conakry. Oh, ok. ATT Amadou Toumanou un président. Un président qui Donc, si vous regardez, il y a Amadou <laughs> Salifou, il y a Amadou Emari. Et à cause de la valeur de mon nom, tellement que les Français ne peuvent pas octroyer ce nom à leur enfant, ils ont créé sa dérivée, c'est-à-dire Amadoué. Flatter quelqu'un afin de l'exposer à ce que tu veux. Donc, du coup, il s'appelle Amadou Limouris, mesdames et messieurs. Alors, on va parler de cet artiste sur cette émission. Amadou, qui est véritablement Amadou ah ben véritablement. <laughs> ouais, en de, mon... tout, moi, en fait. <laughs> ouais. Ah. à l'état civil, je m'appelle Ali Moussa Amadou. Ali Moussa Amadou. Oui, étudiant à la faculté d'agronomie. Ok. Deuxième année. Euh, mon nom d'artiste c'est Amadou l'homme polyhybride. L'homme polyhybride. Comme euh, euh, polyhybride qu'on vient d'expliquer tout à l'heure. Bien sûr. moi, je dis la comédie d'abord c'est un truc que déjà si on peut le dire, tous les tous les Africains ont la comédie de leur sang. Mhm. Et c'est un truc qui est parti partant d'un de ce que je fais tout le temps à la fada. Mhm les amis m'invitent à faire des choses. Jusqu'à ma première scène, je l'ai fait en improvisation. Je vous J'ai fait plus fait environ 14 minutes sur la scène sans le savoir et c'était nickel. Les gens n'ont jamais su que c'était la première fois. On va donc euh, parler euh, bien évidemment de ta première scène. C'est important pour permettre à nos amis euh, auditeurs, auditrices qui kiffent cette émission à travers nos radios partenaires de savoir qui est véritablement l'homme. Alors tout est parti d'où, s'il te plaît, Amadou Polivrit c'est parti d'abord euh, du lycée municipal. Lycée municipal. Tu étais en quelle classe Première. C'était en quelle année euh, En 2013. Explique-moi le contexte dans lequel tu as commencé l'humour. Le contexte. Qu'est-ce euh, qui s'est passé à Madou Ce qui s'est passé, c'était à la journée culturelle du lycée municipal. Ouais. Et en ce temps, eux, ils font toute la semaine d'ailleurs. Et c'est là, un ami est venu me prendre à l'école. Il m'a dit Amadou, viens, il y a quelque chose de notre école. Je veux que tu nous fasses de l'humour parce que il va, je fais les trucs de Agalawal, je les maîtrise. Et donc il m'a dit, essaye de trouver quelque chose que tu vas faire. <laughs> je suis venu, j'avais même pas assez d'habillement pour. Euh, j'ai juste pris sa chaussure, euh, j'ai mis dans. Et ses chaussettes, j'ai mis l'autre pantalon dedans, j'ai fait des trucs, un truc comique à façon. Uh-huh. Après, je suis monté. Déjà que j'ai ce côté danseur là dès le, le bas âge, que j'ai continué à, à, améliorer. Donc, il m'a aidé. Uh-huh c'est dans ça que j'ai fait euh, euh, les deux cas de Agalawa. Mhm. Après les deux cas, j'ai fait j'ai dansé ukou avec les gens. Oukou était de Timaya. Oui, bien sûr. Voilà, on a fait ça. Après, c'était l'autre un, autre euh, sketch que j'ai fait. Les gens, même maintenant à l'université, il y a des gens à qui, ont toujours la vidéo. Uh-huh. Et un jour, je les ai dit que c'est ma... que tu as tapé fort. J'ai tapé fort. <laughs> Comme d'habitude. Mais quelque part, on m'a dit que tu as l'humour dans le sang. Et tu me l'as aussi dit, certainement, hein, une fois, tu te rappelles ouais. antenne, tu m'as expliqué que tu as hérité l'humour du papa sans le savoir. Parce que c'est quelqu'un avec qui tu poses de la fada et vous avez l'habitude des chants. Alors explique-moi un peu cette contamination. En fait, euh, le papa, même de la famille, tout le monde a signé que lui, c'est, il est comique. Et quand il vient dans le coin, il me le fait, il met la Il, fait son one man show. Ouais, mais c'est qu'il <laughs> a, il a dû abandonner ça. Et du coup, il nous a forcé à laisser ça parce que ça, c'est à cause de ça même. Il n'a pas trop aimé quand j'ai commencé ça. Ouais, parce qu'il se dit que, bon, écoute, je vois quelqu'un euh, qui va beaucoup me ressembler et du coup, eh, qu'est-ce qui l'a mené à te dire de ne pas le faire Que eh, le truc n'a pas d'avenir pour lui ou c'est quoi le truc Là, je sais pas. Jusque-là, je ne connais pas la raison. Mais attends, toi, de toi Zama, tu te retrouves dans l'humour ici au Niger Oui, je me retrouve, sincèrement. Eh, est-ce que tu. C'est grâce à ça j'arrive à payer les cours à la fac. Ah. Je m'habille, je mange. Je fais beaucoup de choses. Et j'ai même une moto, <laughs> comme tu le dis. <laughs> Il a même une moto. Ah ouais. Dans la comédie. Mesdames et messieurs, c'était le premier angle. On se prend donc demain, plaise à Dieu, pour parler du parcours du combattant. Eh ben, c'est que Polybride a eu à faire courant sa carrière artistique c'est sur l'émission, eh, ça serait sur l'émission Franco-Germain, euh, n'est-ce pas, du studio Kalangou. Sur ce, nous vous demandons, mesdames et messieurs, de rester en compagnie de l'émission tout à la de La suite dans un instant avec la mus Rim. Hey. retour à la FADA, ici au Centre culturel Omaruganda, c'est 2 Niamey. Nous sommes calés ici à la FADA avec euh, Cheibou Boubacar de l'entreprise Le Concret. Il est artisan, humoriste, l'humoriste Ali Moussa Amadou, l'homme polyhybride. transformé en quelque chose. <laughs> Nous sommes avec Gali Youdi Galitan, auteur, compositeur, artiste, musicien. Nous sommes avec Abakar Sayo, humoriste, et Iboulele, son acolyte de deux flics à Ça va Oui, ça va bien. oui, ça va. On est là. on va <laughs> poursuivre la FADA aujourd'hui. Il est question du secteur culturel au Niger. Quel débouché pour les jeunes Comment ils évoluent dans cet univers ça se passe plutôt bien Son ensemble, bon c'est un comme on peut comme on le dit ici on va écouter euh, ces jeunes consommateurs de musique parce que ce que vous produisez, c'est pour eux, non C'est pour les consommateurs. Tout ce que vous produisez. Oui, bien sûr. J'écoute Kalash Criminel, Bouba, ça me donne le moral. Quand j'écoute, je peux travailler beaucoup. Si j'écoute pas, c'est comme si j'ai le moral. Ah, ni wayo na fisa sai waƙoƙin da na saurara waƙoƙin umar yan sharif da nura mno kamar wakar da na saurari wakar da ya yi ma maryama wannan ta maryama zo maryama gaskiya saboda dai waƙoƙin na shi gaskiya na jin daɗin su ne c'est vrai que c'est pas énorme mais quand même har hein, yanzu ban ji ba sun miniti wani artist nigerian da suka shurare abakar sayo on a l'impression qu'il y a pas mal de Nigériens qui ont encore du mal à consommer nigérien. C'est lié à vous, vous ne produisez pas ce qui répond à leurs attentes, à leurs exigences, ou qu'est-ce qui se passe Ou c'est eux qui n'aiment pas vraiment consommer nigérien Qu'est-ce qui se passe Selon toi Bon, sur ce, euh, je vous remercie de m'avoir passé la parole. Ana iya Hausa euh, ana iya oh. bon. D'un côté, c'est aussi ana iya cewa euh, au produit. Kenan kowa da lahin shi. Kowa da lahin shi. Kowa da lahin shi. wanga wallahi shi ne ina iya cewa daga wuri biyu ne okay kenan ba a samu equilibrium inda wanda za a samu a samu shiri a cikin waɗannan bala a ce dai abinda ku kuke nan gayi dukkan mm. salidan teres Park mm. Buba uh, dandalin soyayya da Nigeria yawa wala an tantace abba a samu ba ta kware ta kiki yanzu ba a samu equilibrium mm, amma na ga yanzu ya fara zakwa a sannu sannu kwarai eh? koma Et par rapport eh à, à, la même question, <laughs> uh -huh. en fait, moi, je, je, c'est comme il l'a dit, la faute, elle est, la, la faute, elle est partagée. Il y a des fois, il y a des gens ça fait parler de sunan de netiamu ko hybride na hein. hmm. je suis danseur ok chanteur à la chorale universitaire wala chant chorale la wanda suka yi samari da matan d'accord da suka yi reproduire shi yanzu da des da na lura wallahi kaman ba abu ba ba ayi bane me politika ce bamu da na yadda za mu eh, kama salo ne bamu da na yadda za mu kawo abin da muke yi a soshi a soshi me yasa kamar yanzu kun kalla a can kasashen waje su in za su dan abu kaɗan in za a yin shi ana kawo masu kamera kameraman da yawa a kawo mai zan kaza a eh, kawo mai zan kaza a zo jar même si c'est pas cool ko bai da kyau ko bai ba ta da kyau bai da kyau le nombre da cameraman yau ne wanda ke koyar cameraman guda yana nan ko da kowane cikin su yana da angle guda da yake doka in an zo aka yi montage dole ne ka gani ka ce wani abu yayi mai muna wurin bamu da wannan politikin kenan kana iya yin abin da ya komi kyau a duniya in dai ba tu communique pas autour, tu fais pas passer le concept. Eh, et, et eh, tout ça, ça fait partie de la communication, la ouais. mise en valeur de, du produit à Turinti. Comment abin da kake kasashi sashi ka bashi muhimmanci ai ai komin karamcin shi in yayi kyau dole a ya yayi kyau yanzu nan akwai misali guda yau eh, eh, music ɗin da baban mai zo yanzu nan mm-hmm. zai na ganin ta mu duka muka waƙe ta <gasps> kuma bancin shi ga su bambino ga wanda ya yi artistana koka na tera sai abdallah wa'annan tumuna yara muka sauraron su nasu ne suka yi suka yi kwamba suka qui nasu kuma suka impose aka saurara suka yi travayin shi suka kawo shi a la qualité, suka kawo qualité ore bayan cin su kowa sai kalite ya bese kenan da qualité ya bese kuma le monde est en train d'évoluer monde yana ci gaba De revoir la qualité. Justement, en parlant de qualité, sur cette fada, nous recevons Monsieur Omar. Omar Salifou, c'est ça, non Je ne me trompe pas. Original. <laughs> L'originalité sur la fada aujourd'hui. Nous sommes avec euh, un promoteur d'événements culturels, mais également un manager d'une star, Maliaro. On a une grosse poncture avec nous aujourd'hui et tout de suite, on est en train de parler de la qualité des productions. Qu'avez-vous à nous dire par rapport à ça Parce qu'on a toujours l'impression qu'il y a ce décalage entre le besoin ou la demande des consommateurs et ce qu'on produit parce que là, on vient d'écouter des jeunes qui disent qu'ils consomment euh, Bouba ou c'est plutôt le Nigeria. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau Parce qu'on ne produit pas la qualité. Donc les médias aussi n'aiment diffuser que ce qui est de qualité. Ah oui. un Clip. on zappe, hein? mais je vous dis on zappe. Hein? Euh, voilà. <laughs> Quand on a clip, clip il y a plus de 6 minutes. Haba. 6 minutes, c'est trop. Il y a un avant, c'est-à-dire dans les années 80, ça peut passer. Mais les gens sont pressés de regarder. Donc, tu es obligé de mettre tout en On même temps. On veut voir de belles images, un, un, très bon son. Voilà, voilà. Pas de parasites dans le son. Voilà. La, qualité. du texte, tout ça. Franchement, on est très exigeant maintenant. Voilà, parce que donc, Sabo de Chine, et donc, on a insuffisance qui moune. 95% de la musique aujourd'hui c'est une école Parce qu'en Niger, ma a une école de musique. Il y a un centre de formation Chinesse CFPM Taya. Ça s'impose. Hein. Voilà. Une école de en musique, tant que Babou, école de musique, Babou Ansu Abouboua, on ne peut pas produire la, la qualité. Kungani, on fait du copier-coller. Ce n'est pas une culture. Ils ont pris, c'est les hindous. Hein. Nigeria, hein. Moutané Nigeria, <laughs> Sundauka, Moumouka. Et c'est un produit qui marche. Donc si ça marche, pourquoi ne pas euh, l'apporter ici. Parce que ça marche, ça amène de l'argent. La musique, c'est du business. Du gros business ailleurs. Et comme l'a dit Origigi, la musique c'est du business. Donc vraiment, c'est ça fait partie des trucs qu'il faut revoir et puis euh, qu'on gagne dedans. quoi. Ça serait bien qu'on commence à gagner des sous un peu comme ailleurs. quoi. Voilà. Donc on va continuer cette discussion. Origigi, je t'arrête parce que là, quand on dit musique, on a vraiment besoin de musique. Et je vais passer un son ici pour détendre un peu la fada, parce qu'il n'y a pas de fada sans musique. Et on va écouter Bégué de Phéno et de moi-même, bien sûr. <laughs> voilà. <laughs> Mato, Kuna, ah, je me fais plaisir. Ah, on parle, tout le monde a présenté pour lui sauf moi. Il faut <laughs> présenter, on va écouter aussi. Ah, doso kwaranodinno inay biri ay gafongu zankay donayay kurba kurbay garay ngwada faybi bi fombiga ay gabije ay gafuro la sabu kansi banara ay gate mari di La mi di foy chapata ko foy lami dey look batu ina kasum da gari kamagi irga wakale kambe yejika irga kambe logu amala osman irga koi fari dungu goi kayan wala jirmai kayan kai zan beje igik subui ya ka kanera kadu hankanga te hina hina jinra dey fongu ik zan kata arega aiga fongu kan kata rai beje ai koi karu kolo zinya wankan nai ganda moto Raimundo Douro. avec la dernière question de cette émission, avant d'attaquer la chronique, bien sûr. D'aucuns pensent que nos artistes et nos artisans manquent d'encadrement et de financement pour améliorer leurs œuvres. Haka ne kokowa akwai wani abin da yake rage Yanzu in gareku gare ku, origigi ya fara zancen to amma dai da yake ya kamata a ce mun dan shakata kaɗan muka tsira shi. Lalle encadrement kin yana eh, babu shi irin haka nan. Eh. Babu shi. saman mm. eh kuma zancen finansaman kuma babu mm. babu yadda ya kamata babu ok babu irin wannan a gani kamar shi ne nace miki da mutane eh ko nan ga for example les enfants la abinda suke yi ban dariya wane ne bai son dariya kowa na so na son dariya kowa bai son bacin rai da wani waye amma yanzu in suka zo na suna neman dan wani taimako su dan wani abin su ni mai kuɗi sai ki ga na cije alor ke kana ganin video alor ke ina ganin mahita bayon Allah da wahalan da suke ya kamata in taimaka dan abun ma ya ci bari ma zan can ONG ko wata proje ko a'a nan dai a dawo nan gida dai akwai masu kuɗi wanda suke iya su taimaka su yi su ba su ɗauki misali group daya ko biyu ko uku su kama musu su hau eh ko da ba su nemi wani business gare su kuma bancin wannan kuma harka music harka music mm. business ce mana ah, kin kawo kuɗin ki kin zuba cikin harkoki na da kin kaga in kin zuba kina iya hita oh, ba masala muna iya mu hada karhi mana mu hita tunda ni ban da karhin da zan zubawa mu kin kin gane wannan ma ba mutane mu ba su aiki da irin haka nan amma ya kamata mutane su mai da niyya amma in za a yi wani abu na siyasa ko ko wani abu kawai sai ga an kiro artist an kawo shi kuma an an kawo shi yayi tashar rana ya ta wahala kin gane da nake ne mm-hmm, mm-hmm. mu muna ina ne mu muna kawo namu gudunmawa fannin cikin aikin da muke yi muna kawo namu muna kawowa amma muna ne jira ga Nigerian su ma su kawo nasu taimako ga artist Voilà, to kun abin da ya ce su suna kawo nasu gudunmuwa kuma suna jira su ma a kama musu. Eh, Ibrid, ba shi mi magana da shi? Yawa Mokhtar, to, toi dai tu t'es auto-formé comme tu l'as dit. Oui. Et après, tu as eu cet encadrement ou un quelconque financement kasa mu ko dai shuru ne? Bon, <laughs> ce dai shuru ne tukuna dai, mais ana sama hanya dai. Ok. inshallah ana sama hanya parce que là, je viens de m'intégrer dans, dans un groupe on un jour, je compte euh, avancer dedans. Ok. Donc, euh, demandé ça ça. sa organiser en association oui. quelque chose comme ça ok c'est ça parce que j'ai eu un appel à euh, candidature hmm. donc qui ont décidé de financer donc euh, à travers ça je pense bien que ça peut aller ça peut aller Oui. Ben d'accord, on l'espère bien sur la fin. En tout cas, on te souhaite plein de succès. Non, on parle encadrement, on parle accompagnement. Oui, Taïmoko, ouais. da wani euh, non, clairement, côté financement, là, c'est mort. Ah même si tu as un spectacle ou quoi que ce soit. En fait, là. <laughs> vas-y, vas-y, Voyez-nous, on est des créateurs de vidéos. Ouais. On a des statistiques. On sait, par exemple, dans le mois, il y a combien de personnes qui regardent nos vidéos. Mhm, mhm. On sait d'où les gens nous regardent. Ouais. Et je, je vous cache rien, le Niger, il est regardé partout en Afrique et même en Europe. Super. Parce que moi, par exemple, souvent, on fait une vidéo on, on, on, a 200 000, 300 000 vues comme ça, gratuitement. Et quand vous regardez, peut-être seulement 150 000 vues viennent du Niger. Donc la plupart des vues, c'est dans le monde entier, quoi, en fait. Ah ouais Parce qu'on a des fans qui sont qui sont pas qu'au Niger, en fait. Ouais, ouais, qui sont un peu voilà. Et mm. maintenant, pourquoi les entreprises ne pas investir dans ça Franchement, pourquoi on pourquoi pas investir avec les comédiens Un comédien, il fait une vidéo, ça fait le buzz fou, et puis ça part partout. Quoi. Euh, deux mots. Moi, euh, c'est vrai, il n'y a pas de financement. c'est vrai, Babouana. Mais aux artistes, parce que nous, c'est notre combat aujourd'hui, c'est de mettre un modèle pour que les artistes puissent gagner. Aujourd'hui, l'artiste n'a pas besoin de quelqu'un. Moi, je vous le dis aujourd'hui, parce que euh, je prends deux exemples. Vous prenez Tal National, vous prenez euh, euh, Maliaro. Mhm. Ils n'ont pas besoin de sponsors ou de quelqu'un. Quand, quand, ils organisent un événement, c'est leurs propres fans qui s'investissent et qui donnent, qui sponsorisent, qui prennent les salles en charge, qui prennent la sono en charge. Et c'est pour ça l'artiste doit faire quoi Le premier combat, c'est d'avoir des fans. Et pour avoir des fans, il faut produire, euh, des éléments de qualité aujourd'hui. Quand c'est de bon, les gens sont obligés de prendre. D'ailleurs, même ils vont Quand c'est bon, ils, vont, ils vont vous chercher. Pourquoi nous consommons ailleurs Parce qu'on se dit que c'est bon. Hyper bon. Voilà. Et quand on fait des, euh, des, produits de qualité, les gens sont obligés de consommer. Et pour revenir à ces produits de qualité, on revient à notre formation. Formation. Donc, on va arrêter. Euh, ce passionnant débat. Mais avant de se dire au revoir, j'accueille Oli. Oli, je te jure, tu vas nous écraser aujourd'hui. Voilà. On est en. Comment je suis en Oli, alors, on te reçoit sur la FADA. Ça va, c'est comment Toujours en forme. T'as apprécié le son, hein ah on a eu du bon son sur la FADA. la bonne vibe, comme on le dit chez nous. <laughs> voilà. Ouais, clair. On t'écoute Bonsoir à tous, amis de Tous à la FADA, chers auditeurs et auditrices qui nous écoutent en ce moment. Il existe plusieurs sources d'informations en cette ère des réseaux sociaux. Mais comment s'assurer de la fiabilité d'une source C'est de cela que nous allons parler de la chronique de ce soir. Ok, c'est important ça. Avec l'avènement des réseaux sociaux, chaque utilisateur d'Internet est devenu une source potentielle d'informations pas forcément fiable. Certains, par intérêt animé de mauvaise foi, pourraient faire circuler des mauvaises informations, des images et des vidéos. On se demanderait encore une fois pour quel intérêt D'autres aussi partagent l'information pensant qu'elle est digne de foi. C'est à chacun de faire attention pour ne pas tomber dans le piège. Souvent, des informations vraies sont utilisées hors de leur contexte. C'est ainsi qu'un événement qui s'est produit par exemple au Mali peut être légendé comme étant un fait produit au Niger. Ou encore une attaque dans une localité burkinabé peut devenir un fait nigérien. Grâce à des outils comme Photoshop ou des applications comme TikTok Viva Video qui servent à imiter parfaitement les faits et gestes d'une personne. N'importe qui peut faire quoi, n'importe quoi, à tout le monde. Alors, amis auditeurs et auditrices de l'émission Tous à la Fada, c'est à vous d'être vigilants. Confrontez les informations dont vous disposez. Appelez vos contacts pour vérifier telle ou telle information. Cette vigilance est à redoubler en cette période électorale. Chers amis auditeurs et auditrices, comme vous le savez, les élections arrivent à grands pas. Et c'est le moment de savoir nuancer le vrai du faux sur les réseaux sociaux. Et surtout s'abstenir de publier ou de relayer une information non vérifiée, dont vous ne connaissez pas l'expéditeur ou dont la source n'est pas vérifiée. Tenez-vous, désormais le Niger dispose d'une loi sur la cybercriminalité dont beaucoup d'internautes ignorent l'existence et qui pourrait vous conduire en prison. Donc encore une fois, soyez vigilants. Rendez-vous demain pour une autre chronique avec Mister Dandy et la question qu'on se posera, si Dieu le permet, c'est celle-ci. Comment savoir si une information vient d'une source de confiance ou pas Merci Olivier. Merci Ravi. C'était bien comme d'hab. Comme ah d'hab. Merci, voilà, c'est la fin de tout ça, la fada. Aujourd'hui, il était question de la culture au Niger avec les homards. On a parlé de la qualité des productions, de la qualité du produit qu'on a proposé aux consommateurs, de comment, euh, comment ils évoluent ces jeunes artistes euh, dans un environnement plutôt... Euh, tantôt ça va, tantôt ça va moins. Mais bon, ils tiennent bon, ils tiennent le coup et on espère que ça va aller, qu'on sera au top dans pas trop longtemps. kenan sai mun kara haɗu bisa wannan shirin namu zan bar wa'annan wa'anda muka gayyata tare da dondi su ci gaba da hira tasu su kuma za su yi zance bisa kan duk abin da ya kamata a yi don a ce dai wannan matsalolin da muke cikin su yanzu duka sun kare wani rashin kuɗi wani rashin sponsor wani rashin kalitakin production da consumator suke nan suna kuka da shi duka wannan a ce an tsaida sai mun kara haɗuwa kuma ce lambar mu 8006 kuna iya aikum da ra'ayin kuma sakan shirin na tusa alafa da a huta lahiya.